une mission et moi, vous pouvez trouver en moi quelqu'un qui est déterminé à vous aider à réussir. Là, c'est pourquoi ce que je viens de faire là, c'est pour moi juste un geste. Tu as vu Juste un geste. Mais quand vous montrez quelque chose, mais effectivement, les hôtels ne prennent pas tout ce temps-là pour vous montrer cela. Moi, je te dis, hein, pendant le tour au Bambiere, là, la seule fois où moi je regarde CS tous les jours les autres jours, pendant le tournoi, je regarde tous les jours parce que. Mais quelle est la télévision qui montre les du, de 8h à, à midi <laughs> Il n'y en a pas. Une autre télé ne le fait pas. Peut-être même ça ne pas intéresser les Sénégalais. Et puisque moi, les deux Mais je suis avec science, je regarde les <laughs> Donc c'est culturel. Donc vraiment, nous sommes dans une zone nous devons nous développer. J'étais très très long, mais en tout cas, je vous félicite et je vous encourage. Vous avez un bon problème par rapport à votre engagement individuel. Ça, vraiment, je vous le dis et je vous mets à l'aise. Parce que nous sommes dans un pays qui est démocratique. Et quand on est dans une démocratie, il faut vraiment mettre la liberté des gens et des autres au centre. liberté mooy ku nekk am nga sa religion doo laaj kenn lan fa ndax tijaan nga dem murit nga ah ou bien ndax catholique nga jullit nga ku nekk am nga sa parti politique ku nekk am nga loo gëm yu mel noonu ku nekk da koy bàyyee ak boppam par rapport à ça li ñu mën a bokk nag pour defar pour que suñu dëkk Ngor Wakaam yof vraiment mën a jëm kanam nañ si booloo pour loolu ça vraiment je peux vous mettre à l'aise là-dessus vous pouvez compter sur moi parce que yàlla moo def ne tund bi man pour régler certains problèmes c'est pourquoi moi je vais tout faire pour le faire C'est pour moi, koy def vais faire. jaune wala rouge la wala la mais quand quelqu'un de cette localité là Ngor Ouakam Tank, tank est concerné par un problème j'en fais mon problème parce que bu ma ko deful sama problème ba keneen rek ko à ma place gars yi dañuy waaye ana Diouf Sarr fu mu ne te man du sama ndam keneen di leen régler seen i problème te man moo ko rek